Chers auditeurs du studio Kalangu, bonjour à vous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'émission de Niger sur Kalangu. Au micro, je suis Fanta Chamsou avec moi Mariam Adey pour la présentation. Bonjour Mariam, comment tu vas ce matin Ça va très bien Fanta et toi Ça va aussi, Alhamdulillah. Alors, à qu'avons-nous au menu ce matin Comme d'habitude Mariam, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec un flash d'informations pour commencer et aussi de la bonne musique nigérienne. Dans la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlons entrepreneuriat. Dans la partie entretien du jour, Madame Kandinyendu, responsable communication et marketing du Musée national Boubou Hamad et Niamey, nous parlera de la gestion de cet établissement en cette période de défaite Et toujours dans cette émission, il y aura aussi du sport. Et pour l'écho des régions, nous resterons à Niamey. Il y aura du loti avec les femmes du studio Kalangu, sans oublier la culture linguistique en tamashek avec Alamine Ouachar. Et comme d'habitude, hein, pour terminer, nous aurons les messages vocaux de nos auditeurs. L'édition est assurée par Adam Adawaki et Issa Lawali à la technique. Tout de suite, à les flashs d'informations avec Samira Rouafi. Bonjour Samira. Bonjour Mariam, bonjour Fanta. Bonjour Samira. Voici le flash à présent. Le Niger a réceptionné sa première livraison de matériel militaire russe dans le cadre de la nouvelle coopération sécuritaire entre Niamey et Moscou. La nouvelle coopération sécuritaire entre les deux pays se met donc en place. Des instructeurs russes sont arrivés mercredi à Niamey. Ces instructeurs militaires russes au nombre de 100 assureront une formation de qualité aux militaires nigériens pour une utilisation efficiente du dit système, un système de défense anti-aérien capable d'assurer le contrôle total de notre espace aérien, a indiqué la télévision nationale des escroqueries en ligne qui se passent actuellement. En effet, en 2023, plus de 300 plaintes ont été enregistrées seulement dans la ville de Niamey, selon le rapport de la direction de la cybercriminalité de la police judiciaire. Selon le commissaire de police Abdulrazak Moussi, les escrocs en ligne utiliseraient plusieurs modes opératoires, ce qui caractérise l'escroquerie en ligne est que toutes les mauvaises toutes les manœuvres utilisées sont électroniques à travers les TIC. Pour cela, il existe de faux comptes, de fausses identités et de faux profils. Enfin, le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, Sidi Mohamed Raliou, a procédé hier 11 avril à l'installation d'un comité interministériel chargé d'élaborer une stratégie pour garantir un fonctionnement stable et régulier des organes de presse audiovisuels publics et privés dans le contexte de la TNT. L'aboutissement des travaux du dit comité doit conduire à la mise à disposition d'un bouquet national, signe de la fin d'une dépendance. La télévision numérique offre entre autres avantages la diffusion de plusieurs chaînes de télé sur un même bouquet ainsi qu'une meilleure qualité de son et d'image. C'est tout pour le flash d'information de ce 12 avril 2024. Merci beaucoup Samira pour euh, toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé à l'entame de l'émission, nous ouvrons ensemble un entretien avec Madame Kandignandou, responsable de la communication et marketing du Musée national Boubou Hamad Niamey. Mais avant, nous faisons d'abord un premier tour en musique avec le son Sanadi de Ahmed Delta. chanteur de musique Hausa le plus célèbre de Kaniyuda du Nigeria, Hamel Delta, est un jeune homme qui a attiré l'attention de nombreuses personnes avec son style de musique moderne. Le chanteur résident dans l'état de Kano, né dans l'état du Delta au sud hein, du Nigeria, il est originaire du Niger et c'est tellement incroyable de voir à quel point ses fans sont si enthousiasmés par ses chansons. sarki rayuka. Karki ja komai na c'était là notre première note musicale dans cette émission Le Niger sur Kalango. Et à présent, nous allons passer à la première partie de notre entretien avec Madame Kedi Nyandou. Ici, elle parle des activités qu'organise le Musée national pendant ces périodes de fêtes, mais aussi de comment s'est fait la gestion de cet établissement pendant cette période. J'ai eu à l'interviewer. en écoute. Alors, euh, il est connu de tous qu'à Niamey, le musée est l'un des lieux que les jeunes et les, euh, enfants ou bien la population de Niamey fréquentent pendant les fêtes. Qu'en est-il euh, de cette fête de Ramadan qui vient de passer il y a juste quelques jours D'accord, donc euh, merci. Et c'est une coutume au musée national Boubahama. Chaque année, nous organisons des manifestations culturelles durant les fêtes religieuses, à savoir la fête de Ramadan et la fête de Tabaski. Et cette fête euh, est organisée, en tout cas pour égayer les jeunes et les enfants qui sont les cibles du musée national Boubhama. Alors, est-ce que vous avez organisé des événements particuliers pendant cette fête D'accord. Donc, euh, dans le cadre de l'organisation de la fête, il y a des activités préliminaires que nous faisons. Par exemple, nous élaborons des termes de référence. Et dans ces termes de référence, nous élaborons un programme, des budgets selon les activités que nous voulons faire. Et à l'issue, on se tient en réunion. C'est-à-dire, on se réunit, le comité se réunit pour discuter, et amender et valider les termes de référence. Maintenant, après cela, nous faisons la répartition du personnel en fonction des tâches qui leur seront confiées durant la tenue de la fête. Donc, euh, nous écrivons aussi des correspondances aux organes de presse, que ce soit la presse publique, la presse privée, les journaux. Donc, euh, nous les invitons à venir voir ce que nous sommes en train d'organiser. Nous élaborons des lettres également aux partenaires. Nous avons des partenaires financiers. Nous écrivons nous leur disons de venir voir ce que nous sommes en train de faire et en même temps de vendre leurs produits. Et donc, euh, nous voyons avec, euh, si je, je, parle de partenariat, les partenaires par rapport à la sécurité. Nous envoyons des correspondances à la garde, aux responsables de la garde républicaine, aux responsables de la police nationale, aux responsables des sapeurs-pompiers, pour leur demander de venir nous aider par rapport à la sécurité. Euh, est-ce que vous avez une idée ou un nombre précis même des visites que vous avez reçues et en comparaison aux années dernières Et nous sommes en 2024. Je veux faire une comparaison qui ne sera pas très loin. Si nous prenons le cas euh, euh, des années Covid 2019, 2020, 2021, il y avait presque rien, il y avait personne dans le musée. En 2020, on avait même fermé le musée pour raison de Covid, pour ne pas en tout cas entraîner une certaine prolifération ou bien un taux élevé de contamination au sein du musée. Maintenant, 2021, pareil. 2019 aussi, pareil. C'était, c'était, c'était mort. Quand vous rentrez dans le musée, il n'y avait personne. Personne, personne. Même en dehors des fêtes, il n'y avait personne. Maintenant, en ce moment-là, euh, euh, euh, c'était très, très, je vais dire même, et 0,5% ou bien 0% même. Mais cette fois-ci, 2023, ça renaît. 2024, là, le musée était plein comme un neuf. Donc, euh, je dirais de 0%. Maintenant, on est à. Et, nous sommes au troisième jour de la fête. Déjà, hier seulement, on peut dire qu'on était à peut-être 80%. Hein? Voilà. Est-ce qu'il vous arrive pendant les fêtes de faire une sorte de guichet fermé entre griffes Oui, et il nous arrivait de faire ça. Si vous étiez là hier, vers 14h, 15h, c'était plein. Alors quand on constate que c'est plein, plein, plein à craquer, on ferme. On ferme, ne serait-ce que pour laisser souffler un peu. Là, ceux qui sont rentrés là, ils vont faire une heure, deux heures de temps, ils vont vouloir sortir, on a une issue de sortie qui n'est pas la même que la porte d'entrée. Donc on ouvre l'issue là, certaines personnes s'en vont et on rouvre pour que d'autres rentrent. Oui, ça on a l'habitude de le faire plusieurs fois. Dès que c'est plein, on ferme. Il ne faut pas qu'on crée des situations. Quand il y a plein de monde, même quand il n'y a pas de difficulté, les gens ils s'entrechoquent, ils peuvent se blesser. Surtout que, je vous dis, la grande cible, c'est des enfants. Et justement, parlant de ça, comment vous gérez au cas où ça arrive les bousculades et autres. Au cas, c'est de ça que je vous disais que nous élaborons des lettres à la garde républicaine. Au niveau de la garde républicaine, ils nous envoient 50 éléments. Ici, dans le musée, il y a un poste de police, la police nationale. Ils ont des éléments. Il y a les sapeurs-pompiers. Surtout quand il y a bousculade, bousculade, la grande bousculade là, quand les deux corps n'arrivent pas à, à maîtriser, sapeurs-pompiers intervient pour prendre tous ceux qui sont en situation de difficulté et essayer de les évacuer dans les centres sanitaires où il faut les prendre en charge. Et pendant les fêtes aussi, vous laissez aux gens qui veulent venir faire des petits commerces. Ok, donc euh, vous avez vu que euh, il y a des vendeuses. En fait, nous, on s'était dit que nous sommes en train d'organiser une activité culturelle, une manifestation culturelle, il faut à travers ça créer une situation de solidarité. Nous sommes, euh, euh, comme on le dit, euh, les gens ont besoin d'argent. Et il y a les petites vendeuses, la majorité c'est des femmes. Et ces femmes-là, c'est elles-mêmes qui payent les tickets aux enfants, la, la, en tout cas dans la majeure partie des cas. Donc, on ouvre nos, portes à cette petite vendeuse. La vendeuse, quand elle vient, que ce soit du Piawata, que ce soit du sandwich, en tout cas, quelle qu'en soit et, la denrée qu'elle amène, elle paye 500 francs. Maintenant, si c'est les grands commerces, je ne sais pas si vous avez constaté à l'entrée, il y a un qui a amené des jouets d'enfants. Lui, lui il, prend le ticket à 1500. Cascade, c'est gros. La petite vendeuse, elle, elle a 500 francs. Le, euh, le, le, gros, lui, il a 1500 francs. Donc là, vous voyez, ça, ça contribue un peu et ils font des chiffres d'affaires. Voilà, c'était la première partie de l'entretien avec Madame Kadine Yandou, responsable communication et marketing du Musée national Boubou Hamadou Niamey. Et dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Mokhtar Hamadou qui vient juste de nous rejoindre pour la revue de la presse. Bonjour Mokhtar. Bonjour Fanta, bonjour Mariam. Bonjour Mokhtar. Mokhtar Niger, célébration de l'aide, elle filtre dans le pardon et la communion, titre hebdomadaire à Niger Inter. Et eh oui, Mariam, après un mois de privation et de dévotion, les fidèles musulmans du Niger ont célébré le mardi 9 avril la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan. Cette année, malgré la canicule et le contexte de vie la fête s'est quand même déroulée dans un esprit de pardon et de communion. Partout au Niger, les fidèles musulmans ont fêté en famille ou entre proches et amis le Ramadan en 2024 correspondant à l'année 1445 du calendrier égyrien. Euh, c'est surtout un moment de retrouvailles, mais aussi une communion fraternelle qui caractérise d'ailleurs l'une des plus grandes fêtes religieuses de l'islam à la grande mosquée de Niamey, le chef de l'État, le président du CNSP, général de brigade Abdraman Kiani, a pris part à la prière qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan. C'était en présence des anciens chefs d'État du Niger, des membres du CNSP et du gouvernement. Et aussi, Mokhtar, le journal gouvernemental Sahel dimanche de ce vendredi 12 avril 2024 titre en gros, je cite, Escroquerie aligne plus de 300 plaintes enregistrées en 2023 dans la ville de Niamey, selon le rapport de la direction de la cybercriminalité à la police judiciaire. Eh bien, Fanta, avide de gains faciles, beaucoup de personnes s'adonnent à des pratiques criminelles en utilisant l'Internet. En effet, avec l'utilisation massive d'éthique, on assiste à une nouvelle forme d'escroquerie appelée cyber-arnaque. Celle-ci peut prendre plusieurs formes, mais le but reste toujours le même extorquer des informations ou de l'argent à des personnes victimes. Ainsi, plus de 300 plaintes ont été enregistrées en 2023 pour des actes liés à l'escroquerie en ligne dans la ville de Niamey. Même si cette certaines victimes préfèrent garder le silence. Ces chiffres témoignent de l'ampleur du phénomène. L'escroquerie par voie électronique est très fréquente euh, ces derniers temps, surtout avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant sur la répression de la cybercriminalité définie en son article 27 l'escroquerie comme toute escroquerie par un moyen de communication électronique. Controverse à Gaïa, la nomination par le CNSP de l'administrateur délégué soulève des vagues à titre de son côté le quotidien privé l'inquiétaire. Et eh oui, Mariam Gaïa est une ville frontalière entre le Niger et le Bénin et à proximité du Nigeria. Elle est une, elle est une, plateforme régionale dans le secteur du commerce, du transit et de réexportation en destination du, Nigeria, du Cameroun, du Tchad, etc. À ces activités liées au commerce international, il faut ajouter la production locale des fruits et légumes par donc euh, sa position géographique, Gaïa devrait être une des communes les mieux nanties du Niger. Malheureusement, c'est loin d'être le cas. La commune de Gaïa est confrontée à un sérieux problème dont le recouvrement des redevances locales selon le journal L'Enquêteur. Devant les dysfonctionnements graves décelés, le Conseil des ministres du 4 janvier 2024 a décidé de la dissolution du Conseil communal. Une décision applaudie par la population lassée par la guerre à larvée euh, que se livrent les conseillers municipaux divisés en deux clans. Trois mois plus tard, le 4 avril, un administrateur délégué est nommé. Il s'agit de Bachir Moussa Salah, un membre du conseil dissous. Mais cette nomination ne passe pas auprès des anciens conseillers municipaux et la population de Gaïa. Ils évoquent pour cela le Code général des collectivités territoriales dont l'article 179 alinéa 3 dispose très clairement en cas de dissolution du conseil, aucun membre du Conseil dissous ne peut faire partie de la délégation spéciale. Et sur le journal en ligne Actu Niger, on peut lire, je cite, Insécurité, six soldats tués par une mine et des dizaines de terroristes neutralisés près de la frontière malienne. Selon le journal, six soldats ont été tués et plusieurs autres blessés suite à l'explosion d'un engin explosif improvisé au passage de leur véhicule lundi dernier à Tingra, la, commune de la zone d'Inates, région de Tilaberi, a annoncé l'armée dans un communiqué publié mercredi 10 avril. Des opérations aériennes aussitôt engagées ont permis de neutraliser une vingtaine de terroristes et de détruire des bases logistiques suite à des frappes ayant ciblé plusieurs sites de deux côtés de la frontière du Mali, a aussi annoncé la même source. Et c'est tout pour la revue de la presse de ce vendredi 12 avril 2024. Merci beaucoup Mouktar, passe une belle journée. Poursuivons avec notre entretien du jour euh, dans cette deuxième partie, Madame Kandi. responsable marketing et communication du musée national Boubouhama, évoque la question de la salubrité dans cet établissement. Elle lance aussi un appel à toutes les bonnes volontés qui veulent contribuer à son amélioration. Et qui dit affluence dit aussi insalubrité entre griffes. Comment se fait la gestion de cette insalubrité dans le musée Donc, euh, euh, je pense que vous l'avez constaté ce matin, vous avez, il y a plein de sachets, surtout les sachets de Piawata. Et d'habitude, très tôt le matin, à 8 heures, on fait une grande salubrité. Il y a, nous avons une équipe de 6 personnes qui, qui, qui font cette euh, activité-là. Et encore, quand les vendeurs viennent, chacun balaye tout autour de son petit commerce. C'est juste euh, une, une, une petite activité de salubrité. Maintenant, à l'issue des trois jours, il y a des grandes équipes euh, qui se partagent en trois le musée. Une partie reste à l'entrée, une au milieu, une en bas. Et ils font la célébrité générale. En fait, c'est des volontaires. C'est des volontaires. C'est-à-dire, on cherche des gens qui sont volontaires. Ils vont s'ajouter aux équipes de célébrité du musée. Donc, euh, la chose, je pense qu'on a parlé de, de tout. Sauf que euh, je peux lancer un appel à l'endroit de la population. Et cette population-là, c'est qui C'est les parents. C'est les parents qui envoient les enfants dans le musée. Les enfants aiment beaucoup le musée. Et ils aiment le musée parce que quand tu viens au musée, ils, voient les animaux qu'ils ne voient pas ailleurs. C'est ce qui fait que le musée, quel qu'en soit, et, je ne sais pas la concurrence qu'il y a tout autour euh, nous, on ne s'inquiète pas. Vraiment, on ne s'inquiète pas. Quand il y a eu de, nouveaux endroits de loisirs, on disait eh, le musée n'aura plus de. Mais hier, c'était des mamans qui étaient venues. Ils me disent Mais attendez, madame, ça là, pourquoi ils sont venus J'ai dit Demandez-leur. Demandez-leur pourquoi ils sont là. Elle dit Avant de rentrer, elle a souffert à la porte. Dit, elle est rentrée, du tout. Qu'est-ce que les enfants viennent regarder Et tout de suite, un lui dit Maman, je veux voir le lion. L'autre dit Maman, je veux voir l'hippo. Maman, je veux voir le croco. Je dis Bon, j'ai entendu de toi-même. C'est pour ça que les enfants sont ici. Tu regardes, tu vois au musée ce que tu ne vois pas ailleurs. a un appel peut-être à lancer à l'endroit des autorités Et l'appel que nous avons à lancer aux autorités, c'est qu'ils nous soutiennent déjà. Euh, nous leur demandons de renforcer le soutien. Et puisque nous sommes une institution publique, nous sommes un EPSIC, établissement public à caractère scientifique et culturel. Et nous avons des appuis que euh, euh, l'État nous octroie. Donc nous voulons que ces appuis-là, qu'on voit, qu'on essaye de nous augmenter un peu la fourchette. Puisque là, nous gardons des animaux qui ont besoin de manger matin, midi, soir. Et il y a un personnel qui est là pour s'occuper de ces animaux. Donc vraiment, le soutien est là, mais si on essaye de nous élever ça un peu. Quel est le plus grand besoin du musée là actuellement D'accord. Moi, je parlerai surtout puisque déjà par rapport aux autorités, j'ai dit il y a le soutien des autorités. Nous avons une subvention, une subvention annuelle qui est là chaque fois, chaque trimestre ça vient et en plus de ce que nous gagnons sur place, c'est-à-dire la mobilisation des ressources que nous faisons à l'intérieur à travers la vente des tickets et autres. Maintenant, le, le besoin que nous avons, que nous voudrons, c'est le soutien total de la population. Il faut que la population soutienne pas seulement le musée, mais toutes les institutions publiques, puisque c'est nos institutions, ça nous appartient. Il faut qu'on mette la main euh, dans le travail. Si je vous parle de l'aspect des animaux, nous avons des animaux ici. Ces animaux ont besoin de propriété. Quand les gens rentrent dans le musée, au lieu de jeter les saletés un peu partout, quand vous allez vers, euh, vers les singes, comme c'est des grilles ouvertes, les gens ils boivent piawata, ils jettent ça. Ils prennent la cigarette, ils jettent ça. Ils, n'ont pas demandé à être dans les cages. Donc il ne faut pas rendre leurs endroits impropres. Puisque quand c'est pas propre, c'est toujours les maladies d'hygiène et autres. Et autre aspect, nous, nous demandons à la population quand ils viennent, un peu partout, il y a des poubelles qui sont déposées. quand vous restez, madame, avec vos enfants, vous mangez, essayez de tout ramasser pour mettre dans les poubelles. N'essayez pas les choses éparpillées. Et quand vous venez aussi, il faut attirer l'attention des enfants, il ne faut pas qu'ils jettent des pierres dans l'eau de l'Hippo, dans l'eau du Croco, ainsi de suite. L'endroit là, c'est pour nous. Et ceux qui ont les moyens, puisque on ne dit pas seulement que c'est les autorités seulement qui doivent financer. Il y a des particuliers qui ont des moyens. Ils ont des moyens, donc qu'ils viennent voir au musée ce qu'ils peuvent faire pour que vraiment le musée soit tel qu'ils veulent et, aussi éviter les critiques, les critiques qui ne sont pas constructives. Vous restez derrière chez vous, vous dites le musée est sale, vous dites le musée est ceci, les animaux ont ceci, cela. Venez, nous sommes une administration. Hein. Quand on vient au musée, on pense qu'il n'y a que le zoo, il n'y a que les animaux. Non, il n'y a que les collections. Non, il y a une administration, il y a une direction générale avec ses démembrements, avec au moins sept services qui sont là, chaque service avec ses attributions. Donc vous venez, on discute, on, voit, ah voilà l'aspect là, voilà comment je vois, ainsi de suite. Et là, ah, vraiment, c'est le pays qui avance, c'est le Niger qui avance. Nous sommes là pour la conservation du, du, patrimoine culturel. Donc le patrimoine culturel, c'est pas quelqu'un qui va sortir de l'étranger pour venir ici nous aider à le, euh, à le gérer ou bien à le rétablir. Non, non, nous appelons tout le monde, toute la population, tous ceux qui ont les moyens à venir mettre la main dans le travail pour que vraiment qu'on ait un musée digne du nom. C'était un entretien que nous a accordé Madame Kadiniandou, chef service en communication et marketing du Musée national Boubouhama de Niamey. Mariam, on se retrouve juste après la pause pour la rubrique Hebdo. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Quant à présence, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'entrepreneuriat. Oui, Mariam, pour cette euh, rubrique, euh, cette semaine, nous ferons un zoom sur Abdurrahman Garba Kabirou, un jeune vendeur des maillots. Il a une licence en contrôle de gestion et audit interne et un master en sciences comptables et financières. Il a commencé à travailler dans une société, mais à cause de la situation sociopolitique du pays, il s'est retrouvé au chômage pendant huit mois. Pour ne pas rester les bras croisés, Abdurrahman a décidé de se lancer dans la vente des maillots à Niamey pour subvenir à ses besoins, une activité dans laquelle il se retrouve. On l'écoute au micro de Aminata Boubakar. wallahi mura da kai parce que que a une licence en contrôle de gestion audit interne a ganda master en sciences comptables financières donc euh, a une société rare, mais vu la situation du pays Nborega y en attente maintenant il y a plus de 7 voire 8 mois comme ça quand je suis en train de chômer go chômer mais donc euh, a une a assez renseigné ani donc euh, pourquoi c'est bon dans business ora marketing il faut di faut di faut yang ay kan te kam woy donc euh, ay gner mayo yang ay gite kam woy aussi kone maye matchino ne hando go gitira maye kirginer mo sare de qualité premier go deuxième go troisième go no donc euh, ça dépend no kan go ni se mayo go kirginer boy c'est 1500 mayo go kirginer boy c'est 2500 mayo go kirginer boy c'est 3000 tonton fona hango gudu goyora to wallahi tonton go goyora alhamdulillah parce que vu la situation chômage kan irgo diplômé go chômé mais sur le plan business marketing irgo ko sabu parce que avec ça ay gande famille ay famille o ay ga du aramo no location windi no ri fodi aga donc euh, bormir ko alhamdulillah et puis bore kan borbe ko isi dai borfoga wadi kagdai wadimo agini jere kan go kokare kan si siga tebor semze bakin cici igo ka dai bodo aigo gi sabun gemo aga sidu kul sandai goyo ha to sandai dai kan borgudu dai gite an foyen man tuwat kul bora kul gidai an foni gite semen fuari gidai an foni gite amwar borai ko mande nga amma wallahi alhamdulillah gin ko mondo te nga da an ngida angro equipe yangon kan gidai borai ga ba son commande ngon kan équipe fo kan ma get money ayin commande lancé ici de cash fo ki yam tenge ici son kengo kan ga kan to nan di furta gay wal gomna todo to o ngo kai ce dai gite im di jeno sosai parce que gin gune Niger normalement Niger société bo gon kan ba zene no gono nge mo gi gono para ami connaissance ba ni kan ganda ti ala verti ni ba ni ko godo ni ganda mate te compétent ni ba ni goyi ni wandi borewo ni gidi matadi no par exemple tu as le bac D tu es comptable il faut il faut quoi une diplôme déposé nigi diplôme quand a série ana te littéraire tu me kaga dans série scientifique nongora wodi mo asigite o im ceci dai mbura kul dan ngonongora imna mate lukando ni asbori parce que lukando ni askon la bujine o garan gune Niger e eh, ci dan bobai go shome go farga kalka fada shayi da kiyan ifo difo difo yan aram koyi wodi a gbore dan nim koyi an fo nim freestyle nim hay nem ceci ban non fo nim bazai ma amante Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique hebdomadaire. Marquons une autre pause musicale, n'est-ce pas, Mariam Oui, Fanta, je vous propose les titres Bawasaba de Abel Zamani en featuring avec Morel, son tout dernier son qui fait vibrer les mélomanes. wassaba, bau wassaba, bau wassaba, bau wassaba, ti foreno, giri, manti foreno, giri, bau wassaba, bau wassaba, bau wassaba, bau wassaba, bau wassaba, bau wassaba. wanda, yana yanga, inka zo nanga, zaka sha kutuho, kutuho, kutuho, kutuho. fito zaka sha ana kusani ni ban wasa kun san ni ban wasa tun da gani ya kore shi in kuna ya ji shi ya tira in sun ja sai mun ja sama taba yaron nisa in sun ja sai mun ja yaro da gori ba sai lasa ba wasa ba daina jin jini hot nigga jin ina jinjiri ana ji da mu a cikin gari daga nijar har mai duguri yarinya kin cika son wasa kuma ni ina miki ganin tawa amma yanda kike bendawa yana skata mini kaina ba aisha aisha ki taho ki taho sai ki kanu kudin su fitin wani ya dame zai sha kutuhu ba wasa ba zai sha kutuhu jijjiga musu mun shigo gari muna cin gaba babu cokali da gaske da ke banda lokacin wasa ni ban son wasa sun ce sun fi mu duk ƙarya mun kwasa cette pause musicale, Fanta, passe à l'écho des régions. Oui, Marianne, pour le reportage hein. en région d'aujourd'hui, nous restons à Niamey pour parler des cas de disparition des enfants, filles et garçons qui sont signalés chez les chefs de quartier, surtout le jour de la fête. Ces enfants dont l'âge varie souvent entre 7 et 8 ans sont égarés pendant la, présentation de vœux de la fête chez les parents, amis et connaissances qui habitent dans le quartier différent. Moutar Mamadou s'est intéressé au sujet, voici son reportage. A duka lokacin bukukuwan sallah a unguwannin birnin Yamai kowane lokaci zaka ga iyaye da suke zuwa ofishin 'yan sanda gidan masu unguwanni ko gidajen radiyoyi mafi kusa domin kai sanarwar bacewar yaransu inda haka wannan matsalar take a unguwar kwaratagi wanda a cewar wakilin mai garin unguwar a wuni suna samun akalla yaro biyar ko fiye da haka da aka kawo musu sun bace muna an kama na yara mu muke rike su suna sa tv gidan mai gari cin su da sha da komi mai gari yake musu wata ran har ma in kaga tuwa ne guda mai gari iya sun tuwa ya zo ba ma yara akwai suna ma a karo bin lahiya mai gida ke kai shi likita mai magani a dawo da ko mu muna iya rike paske doka ta ba mu izinin mu rike amma gani amma yaro kamar mara hankali ne ko wani abu wannan sai mu ɗauki mota mai gari ya je kai ma kwamshariya ce ga yaron nan wallahi an kawo mana shi amma mun gani yadda yake hankalin shi gaskiya bai cika ba hakika bacewar yaran ta yi kamari wanda ko a bangaren radiyoyi suna samun masu zuwa a yi musu sanarwa yaran su sun bace kuma wannan matsalar ba ma a lokacin bukukuwan sallah kaɗai ne ba a cewar omar labaran mai kula da radiyo nijar 24 a da yaushe nan mu dai ina ganin duk kwana biyu kana samu yaro biyu uku hudu da aka zo tambaya abin ma ban takaici da haushi a kowanne daga zuwa su ce kwana uku kwana hudu sati guda ba su ga yaran su ba idan suka zo muka tura su su can ofishin 'yan sanda ko kuma mu tambaye su anguwar da suke mu to su tuntuba gidan masu anguwar ne idan wannan ba ta samu ba za su zo su yi sanarwa su biya su yi sanarwa in allah sa an dace aka ka yaron mu kira yesu mu ce musu an ka yaro su je yana gidan mai gari ko kuma yana kunsiriya abu ne wanda an jima a ciki su yan watannin ga na baya baya da yana tunanin na taba samun cigiya akalla ta yaro bakwai ga ini yara ƙanana a wasu 'yan shekara biyu shekara uku shekara hudu Ganin yadda matsalar take ci gaba da zama ruwan dare kuma wani abin da zai baka mamaki shine yaren da suke bacewa yare ne da ya kamata a ce suna gaban iyayensu. Sakaci ne gaba ɗaya na mu da su uwayen mata. musamman ma su mata saboda a yanzu in ka ga mace ta lura da yaro ta shiga cikin gida ne ko magariba uba ya zo ya tambayi yara lokacin da za a mai da hankali kai ina ya bi ina ya bi lokacin da a shiga kam kame yara da sun tashi ta sa su ne bisa hanya su ne ya wuce ya wuce ba ruwan uwa ko wasu daga cikin ubanin wanda suke gida to inda nake cewa lalle maza ma muna laifi amma iyayen su ma uwayen matan sun yi laihi saboda su ne a cikin gida na mishi ya hita tun satan yamma abin shi sai ya sabko da kasuwa ko dora ake ce mishi ai yaron shi kaza tun lokaci kaza da hita ba a ganin shi to kaga ko su matan ne sakaci shi dai kula da yara da tarbiyyar su nauyi ne da ya rataya ga iyaye don haka tun daga iyaye mata har zuwa maza ya kamata su ƙara zare damtse domin sauke nauyin da ya rataya a su. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Et c'est l'heure du sport avec euh, Grouza Sumikarimou. Bonjour Grouza. Euh, bonjour Fanta, bonjour Myriam. Bonjour Grouza. très mm, bien. Alors Grouza, ce week-end va débuter la 22e journée de la Super League nigérienne. Oui Fanta, il faut noter que ce week-end euh, que sera donné le coup d'envoi de la 22e journée de la Super League du Niger. Après la trêve due au mois de Ramadan, cette compétition va débuter avec des matchs à le champ à Niamey et à l'intérieur du pays. Nous y reviendrons d'ailleurs plus en détail lundi au cours de nos prochaines éditions. Pour rappel, l'ASFAN occupe toujours la première place avec 45 points, suivi de l'AS Nigelec 40 points. L'AS Garde nationale occupe la troisième place avec 40 points. Quatrième, l'AS Douane 39 points. Cinquième, Union sportive de la gendarmerie 35 points. Tagour provincial de Dosso 16e, 16 points, 16.15e, Akokana Darlit 16 e et Sport de Zender 17e avec 13 points. Grouza le Maroc accueille la Coupe d'Afrique des Nations de FISA, l'édition 2024. Oui, Myriam, cette compétition est à sa 7e édition. Le Maroc est double champion et ça va réunir l'Égypte, la Libye, le Maroc, pays organisateur, l'Angola, la Zambie, la Namibie et la Mauritanie. La Confédération africaine de football, la CAF, a tout mis en œuvre pour une bonne compétition selon le président de la CAF en visite, en visite au Maroc pour la circonstance. Outre le sacre continental, l'autre enjeu de cette compétition, la Coupe d'Afrique, est la qualification à la prochaine Coupe du Monde. Les deux équipes finalistes et celles arrivées en troisième décrocheront leur billet pour ce mondial prévu le 14 septembre au 6 octobre prochain à Ouzbékistan. Ouzbékistan. C'est ça, j'ai bien prononcé le nom. C'est l'Ouzbékistan. Voilà. Lors de la dernière édition de cette euh, Coupe du Monde euh, de Fissal en 2021 à Lutiani, l'Afrique était représentée par le Maroc en quart de finale, l'Égypte et l'Angola. Et Grouzan, n'allons pas vous laisser partir sans nous expliquer ce que cette discipline. Oui, c'est vrai, Fanta. Il faut qu'on explique à, nos auditeurs. Tout à l'heure, euh, il y a Myriam qui me demandait c'est quoi le fissal? <laughs> Bon, le fissal est le football en salle. C'est un sport collectif euh, apparenté au foot. Il se joue avec euh, un ballon sphérique qui oppose deux équipes de cinq joueurs. Au lieu de 11 joueurs, 5 joueurs dans un gymnase sur un terrain de hand. L'objectif de chaque équipe est de mettre le ballon dans le but adverse sans utiliser les bras et de faire plus souvent que l'autre. Alors, Grouza, où est née cette discipline Ah oui, le futsal est né en Argentine en 1930 lors de la Coupe du Monde de l'époque. Les organisateurs ont constaté que les enfants n'ont pas d'espace pour faire leur foot, pour se distraire, pour faire le foot. Et c'est ainsi et qu'ils ont préféré créer et initier ce sport. Voilà pour le sport aujourd'hui. Merci Guruza pour toutes ces informations sportives. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous. Merci. Difanta, qui est l'étoile du jour alors, hein, pour le portrait d'aujourd'hui, elle s'appelle Fadimata Moussa, une femme âgée de 60 ans et revendeuse des légumes au marché d'Olu de Elle est native de Courterre dans la commune 5 de et c'est une activité qu'elle exerce depuis l'âge de 20 ans. On écoute son portrait avec Oumu Oumaru. min kana lumo dole gallo mo daɗɗi sakour e leydi mo jooɗi yeeso joowe konkombre la'aaje kecce he aubergine no yeeso makko o waɗi ɗum joowe joowe mo sonna fatimata moussa no debbo mawɗo jeyaaɗo nder leydi kurteere subana fuu imo dawa o wara nder gallunye may ngam o sonna kulle makko amma o fuɗɗirana connol kosam fadde o naatata nder luuɓe umo sonna li'orɗum kecci nani ko o fantini no o fuɗɗiri wallahi ko ummimi mi sonni kosam ko murtimi kosam naatumi legineji jiiɗaɗi nagge anni ɓirteno mo gonndumi onno wondi ɓira mi sonnowa rompoyel ko gurtimi kosan ɗan natumi ko jiiɗa ɗum wallahi mi laasi bakina ni neɗɗo sayni filo mara sayi hoƴata sukaɓen ɗon taniraɓen ɗon ɗen ɗo ummo daro iluno woodi sembe muraduji no goodi kowle no ɗon lamruji no ɗo ɗa wala a yarta nde a yaray a waddantaki wallahi mi awata ba gooti ɗodan ni non fara ɓangere lumaku ngu faɗima watta nder lumo gon o sottatana li'orɗum kecci ɗi o sodata ngam o sonna o heɓa seɗɗa baako o debbo wala kaliya hoore makko dowi fuu haɗay omo hokki sembe sanne farfilla sodu sonna or ɗum kecci mi weeti min koƴa min mbiyata miɗon conna ni weeti laaɓi fanange ñawli haro diɗo jomum wara jaɓa ceede ɗo min cotta ley luumo ley luumo ni min cotta wallay mi wala dey sukaɓe am no gaɗa mi kosan mi barjin e konko mbudu ko ndemmu e ko hannden hawta ndemmu aɗa heɓa hannden ne allah ni waɗata neɗɗo keɓal wala kaynimo allah hokkari seɗɗa luumo wala ndemmu noon ɗon heɓa sanne wallay gal luumo ley ñalowma fo ujunere mi adasa e lewru woɗɗake mi jaɓa ujunaji sappo mi nawtoro nde lewru waati mi jaɓa ceede am amuradu kay firtaken to hannden ɗum wala joom emprese ji kay nangay ba say jarraba baafuɓe nangay say tampiri duniya baa ko min keɓta e maɓɓe wala wallahi baa o debbo mawɗo illa joom ɓaade makko no wuuri dow gollal ngal o watti yeeso umo walla codol nyamandeji ngam walla ɓaade makko denne o debbo no debbo dariɗo baako lumaku jon nanda heko demmum gande ni mi yiɗi nguura amin no hanta miɗo sooda sakuji nayi yande war mi sooda sakuru gawri sakuru bayeri sakuru kamannaji yaram hokka sukaɓe tinnono una wallahi aba dami domrayi mo wi'a tawi nde o waddi nde mo woodi o wadda nde o wala mi wadda nden du alhamdulillah yettore allah miɗo tokki mbawka gollal gondu wala tayni kam wallahi allah mi anda gam ana ñande fo neɗɗo hepta ñande gom heɓa ñande gom heɓeno Merci Oumoumorou pour ce portrait, chers auditeurs. C'est avec les titres julia de Mousséaro que nous allons clôturer notre playlist d'aujourd'hui. On vous laisse suivre. ƙauna zan ba chers auditeurs, c'était le titre Jouya de l'artiste Moussa en espérant que vous avez aimé. Place à, présent au lotus du jour, n'est-ce pas, Mariam Eh oui, fantale, le lotus d'aujourd'hui, les femmes du studio Kalangu pointent du doigt les risques de garder un puits ouvert dans une concession. C'est dans une discussion entre Samira Rouafi et Rekia Arimi. wallahi sai kin ki godin ce mata kana dona ga hamu ga hamu ga hamu irkoi mai no goga ke son kina wura ha zari san ke wura ha ba ga hamu ifo no ni goga te fuwara ni izo go tarai filora ha kai ni gicin diya maskan da yora ifo subhanallahi <laughs> habibu habibu mana Diya sai mana ma nan katiyan boba in gida ne ya irkoi he ai sabuni se irkoi hinno ga bai hankan ga hingite da man kan ai duka lokaci din ga ai ka gagar da yo jarga a goce ci jing foga gina zo sambu kan kan da yoga kai ni gicin diya mu koi ha kwen don da kan ga wallahi a kan singa bai zan ba ku si filo ga ir irkoi ai sabun si don da kan da yo dira ifo ne gine babo si son wo kai dai irkoi na halasaiti haikul manduwa amma ga mu ai singa faham matkin senoni ginga ci kai nawo na habibu ne ha windo ganda ga ago fogo kwen nik beka akan gwanda da kiman dabu wani wallahi ni beri no gagan sewin gadin si gabai hmm. ami wallahi ni gabai inda no goga kani ne wa hal girbo ga sambu wati kulmo inda no ga gizari girbo wote kwai ne mo ni gabai amon bai kwai da yo dindo hmm. da yo san no bonde ni gabai kan wati kulne ai ga goizo lakale kendi hadde an ture hangandi am kinga dabu asima asidin gamu ai ma ni gicim amma ni im ga hagwai nin no himga ha goida da yo da bu yongo wat kulkanci ne goiga banda ba dai bo fon da mu koi dai dini bon se halin da dabu mana na da bu ne ai siba an kan na ngo ga tede da window wora son zamanu wora kan pompo ni anan kula agan bon pompi ga gan se window wora hmm, habibu baba watu kul dai na sai imu da wo wi dai amne se ha inga gaba anga mu forage te ya bonno inga sawi haka hannu no forage te ya amma himga bere ko ne ha amma bai fonda ki gana hali foga singi wendera amma hal wadinka ni him ga hago da yo im ceci ba giryaji jino wal haifo ima dabu jo ma ga hago mu duri bori da zan kai mbo halasi siyan <laughs> wose anai se inga ni ce han bagar agoba tuno halim ga hayo wote to aga bori amma wala gici ni se nim hago da ko ci an bori hali ga duri fora jo banande insha Allah insha Allah ami ay bumbo day bonno ga cinga o guna hal day akka ga furaje wo goyo te ay bumbo day bonno gati guna ko sai kale din yan kan dayin kwa gamboda baro na ngai se ay bumbo ila kale kultunu me ay sabu ni se wallahi ay sabu ko sai mo kan nan ni kani bumbo ga di hayawo don ai gono dinga girbe mun babai hankanti ko den da chers auditeurs, c'était le loti offert par le Desk Femme du studio Kalangu. Et à présent, accueillons Alamine Ouachar pour la culture linguistique. Le mot de la semaine est Zakatulfitr. Bonjour Alamine. Bonjour Fanta, bonjour euh, Rima. Bonjour Alamine. Et euh, comme c'est déjà expliqué dans les autres langues, maintenant c'est le tour des Tamashek. Euh, Zakat fitr le côté de la de يعني المود ويتا وكاس يغفاو وينتا وكاس نين وينسو مر النبي صلى الله عليه وسلم التنك سكن ويدني موسى النوزم زكاة الفطر موصرتي تا وكاس دغ مراودا وين الكمنين نظم مدير كرادا وين الكمنين نظم الموسى نرتي تا وكاس داغين تاكس النظم filidasitu shuri madegitu misas aratin bakka da wini ga har wezo starret na wal wini tag mader kasa wal wai tag da tudoden ku ta alis ku da tanto tantada da gar kasa wal wai tag da medde dar tanshilات نسن موصل نرتم بكا دن استارت نلمود يعني غفا ويندين استانو زكاة الفطر دي انتني استاني ما صلاه يويدن كفي ما روزت دخسن مدى غركاوة لن وينيغا موسنين الفواحشن ويندي أرض وفلي توكس المود انتدادا فلا سنت صومر النبي صلى الله عليه وسلم إنا ورداني هي فراغنا دي الشغل أفل دازي الله بكا نوينيغا أرس تارت زكاة الفطر وادا غادي زكاة الفطر أرى تيمو سيلان المعنى أما راني تا كستوي دن داتا دي كامود ورقي دفريمود أستي كسوي دن داتا إيغا تا كستوي دن الشينا دان داتا مود مدهغ قرار دام مدهغ إز الوديدة أدي توني تالي تفراغتي كسيجيس داتا دي كوا مودنا العيد الفطر دا غادي يغفا وين دي كوس نصني للمعنى هولي دغا التاريخ إسلام أما كوستنا النبي صلى الله عليه وسلم تناقو أرى تنكول وينقل لنا ركا الشغلة ويني قويدن دركاولا وينيقا هرويزو دا دا دا داونزا نوان الصندغر ويقلنا زكاة الفيزياء المعنى نداد تانمر تلامين Merci pour ces éclaircissements sur le mot Zakatul Fitr. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaitez avoir l'explication, en anglais ou en hausa, en zarma ou en tamashek et même en fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un message vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, écoutons ensemble vos messages vocaux. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. wanda an kai sani da chapros shabre garage guza eh, studio kalangu muna jin jinjina miki dukun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku muna jin daɗin shirye-shiryen da kuke yi muna da labaru da kuke ba da masu ƙayatar sha Allah muna muku fatan alheri kuma muna muku barka da sallah muna ma dukkan yan Nijar barka da sallah Allah ya tsare muna ƙasar mu Allah ya shirya muna ƙasar mu Allah ya dafa muna Allah ya sa ƙasar mu ta ci gaba sunana Karim a nan dogon dutse nake kalangu shirye-shiryen nan nasu muna jin daɗin shi saboda mutane iya ƙara waye ma mutane kai kuma mutane suna ƙara gane tunda yanzu rayuwar na ta yanzu da ake ciki sai ana eh, sensibilization mutane tunda yanzu akwai matsaloli da yawa in ba dan radiyon ba da ake saurare yanzu da yanzu gaskiya abin akwai matsaloli amma yanzu masha Allah ai magata Hassan Hassan Kimba ko gurgun ne wallahi rajo kalangu rajo no kan a ganda bon fere gumo dama a wani labarai nin kan gini hangan ni su furbo hawaira dama lokaci ka lokaci na igano igano fulanci ne zarmaci ne hauski ne lokaci fon faransa no kokor ikul mo sanne iga carganno den ma wo ne ni ma wo ne kina kul gano gongai labarai no akan sai wo ga hangan no gum gum gumo in kun dai gingine dai hago habo aiga pildai ko ga dai raja oh e eh, yang sine kege fode sintina dai aran bumbo kanka gi berandi gi gan keme ka keme ga han kun kine ai gai fo antonan da ando watin nan ku kan raja jin daga koi ai go gai fo tonan di do journaliste me ding me ai go gai fo tonan di ga sunana yusuf hasan to ra'ayina a biskan shirye-shirye biskan harka dai abin ga harkar mata wannan masu zuwa awo da sauransu wasu wani bi mata sun ta awo ma wani bi ba su samu yana suke so yanzu yanzu in sun ta wata tuna asuba suke zuwa da asuba suke zuwa su yi tsaye nan sai wajen wutar fasi ma ba a fara ba to ga ya kamata mu zace ce su dauki mataki suka wannan mm. kuma so da wuri su fara musu da wuri musu a sanya na za a yi musu a fara musu da wuri kowa ya samu da suke so to ina gaida kai na fara nan a yarka ina da kuma ma'aikatanmu na bakin koha a mangacin su ma fada nan muna gaya su kowa da kowa suna na mutar sai ne wanda an kai sun da babban direba studio kalangu muna jinjina muku bisa ga emission inda kuke muna dare da rana alheri allah ya kai muku muna muku barka da sallah da fata alheri da fata an sha ruwa lahiya Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Ici prend fin cette émission de ce vendredi 12 avril 2024. Vous étiez en compagnie de Maria Made et Fanta Chamsou. L'édition a été assurée par Adam Adawaki à la technique. Nous avons Issa Laoli. Excellent week-end à tous.